le forum du studio le forum du le forum du studio calam, le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio calam 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, ce sont les inondations causées par la pluie dans plusieurs localités du Niger avec leur cortège de dégâts. En seconde position, la publication du monitoring mené par l'Observatoire Niger indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie au NIMED. L'actualité, ce sont également les sommets d'abord du G7 tenu en France et celui de Yakomaha au Japon pour le développement en Afrique. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Gary Amadou du quotidien La Nation. Gary Amadou, bonsoir. Bonsoir. Hussein Issa journaliste freelance. Hussein Issa bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous dans ce forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par les inondations causées par la pluie au Niger. Plus de 30 maisons effondrées dans le département de Bilma. Quatre personnes sont mortes, plus de 100 habitations effondrées au village de Baban, Jibji et Makawasa, est dans la commune de Dungu, dans le département de Kanché. 97 ménages sinistrés et totalisent 565 personnes à Arlit, sans oublier la rupture de la route entre Arlit et Agadez. Des maisons et des boutiques effondrées à Goula, une commune rurale du département du Dakoron. Gary Amadou, comment expliquer ce triste bilan malgré les leçons du passé et toutes les sensibilisations menées oui, parce que le problème, c'est que les, catastrophes naturelles, vous savez, c'est pour ça qu'on les appelle catastrophes naturelles. ça, ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Et, donc, forcément, quand ça vient, ça vient avec son corollaire de dégâts dans tous les pays du monde d'ailleurs. Vous voyez vous ce qui se passe au Brésil avec les feux de brousse. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis avec les feux de brousse aussi, avec les tempêtes, Katrina, etc., etc. Ce qui s'est passé à Atlanta la catastrophe naturelle. Tout ça, les conséquences le problème euh, du changement climatique. c'est oui, c'est forcément il y a des conséquences du changement climatique quand les pluies diluviennes interviennent. Il y a aussi le fait que aujourd'hui encore au Niger, c'est vrai, dans la plupart de nos contrées, surtout les contrées rurales, c'est des constructions pratiquement en banco. C'est des précaire Et banco. le banco, vous savez, ça s'effrite avec le temps. Ça s'effrite avec le temps. Donc, je pense qu'on est un peu en retard dans ce domaine-là. Ce qui nous intéresserait, c'est savoir la prise en charge des euh, sinistrés, parce que en réalité comme je le dis, chaque catastrophe naturelle vient avec son, lot de dégâts, Oui, de dégâts en, termes de pertes de vie humaine, des, maisons qui sont dégradées, etc. Maintenant, c'est la prise en charge qui nous intéresse. On aimerait bien savoir comment est-ce que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour pouvoir soulager ces personnes-là qui, ont, qui souffrent dans leur chair ou des personnes qui sont sans abri, qui sont sans maison. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de prendre Je ne sais pas s'il y a eu une communication sur ce sujet-là, mais je sais qu'il y a un ministère déjà chargé des catastrophes naturelles qui doit quand même normalement euh, nous, nous faire le point rapidement sur ce qui est le gouvernement fait, comment est-ce que ces personnes-là sinistrées, comment est-ce qu'elles sont prises en charge Est-ce qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin Si elles n'ont pas tout ce qu'elles ont, tout ce dont elles ont besoin, qu'est-ce que le gouvernement peut faire et qu'est-ce que les partenaires internationaux peuvent faire Voilà vraiment ce que je peux dire sur ce sujet. Ousseinissa, le Cori de Teloa a toujours été un blocage en pareille période avec euh, l'interruption forcée du trafic entre Arlit et Agadez. Comment l'expliquer Non, mais vous parlez de Cori. Quand vous parlez de Cori, ça veut dire que c'est quand même un coup d'eau en fonction de l'importance des précipitations qui vient avec une certaine violence. Quand les précipitations sont abondantes, ça descend avec force. Et bien évidemment, comme vient de le dire Gary, c'est que c'est imprévisible. Aux États-Unis, en Californie, je crois, des dispositions sont en train d'être prises par rapport à. C'est que pour le cas de Talwa, c'est pas cette année seulement que ça commence. Ça fait plusieurs années oui, Justement, mais malheureusement, malheureusement, ça fait plusieurs années. Mais quoi qu'on fasse, il y a un, un adage germain qui dit que on peut traiter le cori Non, mais le cori, on peut le traiter, mais quand la violence de l'eau, parce que l'eau, c'est un élément qui est beaucoup plus fort que le feu, que, le, que les autres éléments. Quand ça vient avec violence, quand ça vient avec force, même quand on traite, ça va céder. Des points cèdent les catastrophes naturelles, les, comme avait dit, les ouragans, les, les, quand ça vient aux États-Unis, vous voyez un peu les, états, les dégâts que ça fait. Ça fait tomber. Quel que soit le traitement qu'on va faire, ça dépend de la force avec laquelle le phénomène vient. Maintenant, si la force est un peu, comment veut dire, euh, n'est pas, n'est pas tellement intense, ça veut dire que les choses peuvent résister. Mais quand la force est intense, ça peut déboulonner tout, ça peut entraîner tout. On a beau traiter, ça va toujours poser problème. Maintenant, il faut faire peut-être quelque chose qui peut surplomber un pont ou quelque chose comme ça permettre aux gens de pouvoir circuler d'un point à un autre. Mais tant qu'on va continuer à dire non, on va traiter, on va venir mettre des cailloux et tout et tout, on sait comment les travaux se pas dans nos pays. On donne à des tâcherons qui viennent avec des cailloux, quelques cailloux qui vont mettre avec Non, c'est comme ça ça, se ça fonctionne. On ne donne pas à des techniciens, souvent c'est des gens parce que tout simplement ils peuvent accéder à ces marchés-là. Ils viennent, ils mettent quelques cailloux, plus quelques fils de fer pour un peu. Mais quand la violence de l'eau quand l'eau vient avec violence, quand le courrier, en tout cas, déverse, ça va emporter tout. on se retrouve dans la même situation. Il faut faire des ouvrages. De bonne qualité. De bonne qualité, des ouvrages qui peuvent durer. Voilà. Hmm. Tant que ce n'est pas ça, ça va toujours continuer. On va donner quelques millions à quelqu'un qui va gagner. Il va mettre peut-être 2 ou 3 millions sur les 15 millions ou 20 millions qu'il a eu. 50 millions, il va engranger 30 millions, il va mettre 20 millions au bout de quelques temps, ça peut tenir un an, deux ans, trois ans, mais il va arriver quand la situation, la pluviométrie abondante, avec la force de l'eau, ça va tout emporter. On a assisté à ça, c'est pas seulement de l'autre côté. Même ici, vers la région du, fleuve, on a assisté ça. combien de fois on a assisté à ce genre de choses C'est ça l'enjeu. Et même sur la route nationale RN, on a assisté ça à combien de fois Voilà. C'est des choses, il faut faire des travaux de manière ça, des, des, ponts qui surplombent, là où l'eau, quand ça vient souvent avec violence, les gens peuvent monter et puis descendre de l'autre côté. et Madougou, pour le cas particulier, dans le Kawara où on ne connaît pas la pluie, euh, d'où des maisons construites euh, presque à main levée, pensez-vous que c'est là une surprise alors qu'on parle euh, depuis des années de changement climatique alors ça peut être une surprise pour la population s'ils n'ont pas eu l'information à temps, s'ils n'ont pas été sensibilisés sur cette mutation des temps qui parce que il y a eh, une part de responsabilité des communautés et de l'État. Parce que dans toute chose, il ne faut pas voir uniquement que c'est l'État qui est fautif. Non, les communautés aussi, parfois, devraient s'adapter. Parce que quand vous vivez sur un territoire bien donné, il faut vous référer aussi à l'historique de votre territoire. Le, cette zone, dans passé très lointain n'a jamais été désertique. Donc il faut s'attendre à ce qu'on dit que... au Sahara. oui, au Sahara, hein. oui, oui. C'est-à-dire il faut aussi comprendre que le monde dans lequel nous vivons est en pleine mutation. Donc il y a cette, euh, comment on appelle, cette manière où les choses qui, vont durer, qui ont disparu, reviennent encore. C'est pour cela qu'il faudrait s'adapter à cela. Mais comment le faire Ça, c'est de la part de l'État. Il faut que l'État aussi mette les moyens pour que eux, ils puissent adapter leur vie. Pour ne pas subir les conséquences. Euh, parce que là-bas, il y a pratiquement, c'est quoi C'est avec du natron peut-être, ou bien parce qu'ils n'ont pas assez vraiment du matériel adéquat pour euh, construire des bâtiments solides. C'est pour cela que c'est, je, je, disais que la responsabilité est un peu partagée. Mais néanmoins, moi, je pense que c'est un travail d'ensemble. État, société civile active dans le domaine de l'éducation et aussi les communes. Pas dans, le, dans le climat. Dans le changement climatique. Dans le changement climatique. Excusez-moi. C'est ensemble que les gens devront mener ce travail. Par exemple, tout à l'heure, quand Hussein parlait du Cori, moi, la question que je me suis toujours posée, pourquoi on n'essaie pas de construire un pont Ou bien il est difficile, parce que c'est vrai, moi, je ne suis pas expert, mais j'ai posé cette question à plusieurs spécialistes des travaux publics qui m'ont dit, mais bien sûr, on peut construire un pont solide. Mais pourquoi ça C'est vrai, on connaît l'histoire de cette voie où Arriva, qui l'utilise le plus pour engranger ses, bénéfices, ne veut pas investir. Mais il faut que l'État aussi vraiment eh, essaie de dessus le temps. Parce qu'aujourd'hui, qui souffre ce ne sont pas les Français qui souffrent. Eux, ils prennent leurs avions d'Arlit pour venir atterrir à Niamey et continuer leur vol jusqu'en France. Ce sont les Nigériens qui souffrent. Et il faudrait voir aussi les évacuations. Vous vous rappelez l'année passée, une ambulance qui évacuait des malades a été emportée par les eaux. C'est vraiment, euh, il faut éviter ces drames-là. Il faudrait qu'on pense à ces populations, que eux aussi, ils ont le droit de circuler librement dans des conditions sécurisées. Parce qu'on ne peut pas continuer chaque année pour dire que non, on va colmater, on va colmater. Vous allez colmater quoi S'il est possible de faire des ouvrages, moi je pense qu'il ils revient aussi aux autorités maintenant que de faire certains investissements ailleurs. Par exemple, on peut, moi je n'ai rien contre si le fait que vous avez contracté un prêt auprès d'une institution bancaire, si ici, de ce côté, il y a la nécessité que son pourquoi ne pas dévier l'infrastructure pour l'amener quelque part où vraiment euh, le problème se pose avec Allons-y dans le Kawar. Oui, pour le cas du Kawar, moi je pense que déjà, aujourd'hui, l'alerte a été donnée. Ce n'est pas la première fois. Hein. Quand vous prenez les cinq dernières années, cette région est vraiment euh, victime chaque fois d'inondations parce qu'il y a des pluies qui tombent que dont les gens n'ont pas l'habitude de voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait vraiment préparer la riposte et la résilience des populations. Il faut que les communauté soit plus résiliente. Et ce n'est pas à elles seules qu'elles vont, le devenir. Il faut qu'elles soient vraiment euh, euh, dans une synergie d'action État, partenaire non étatique pour qu'ensemble, on puisse voir dans quelle mesure on va les amener à s'adapter à cela. Et aussi des bailleurs de fonds. L'État doit être le premier bailleur de fonds, mais si les moyens de l'État ne suffisent pas, il faudrait que on pense à chercher d'autres mécanismes de financement pour que ces gens puissent avoir vraiment des abris qui s'adaptent vraiment à, ces conditions de, pluie. Parce que c'est ça le problème. La quantité de pluie qui est en train d'être euh, euh, dans ces localités vraiment est extraordinaire. Et et les dommages que ça est en train de causer et ce sont énormes parce que Garé l'a dit, ce n'est pas le fait qu'on dit on annonce les chiffres pour dire il y a eu tel gars. Non, c'est la situation post-catastrophe qui intéresse les gens. Comment la prise en charge a été effectuée Comment on, est en train de préparer ces gens à être à faire le relèvement Parce que dans la chaîne de prise en charge des catastrophes, c'est le relèvement que les gens mettent l'accent là-dessus. Il ne suffit pas de les réduire à la mendicité, mais il faut que ces gens soient plus résilients par rapport à ces catastrophes et que demain, le relèvement puisse booster même le développement local au niveau de ces communautés. Vous avez... Ce qu'il vient de dire, le matériau de construction dans ces zones-là, dans le Kawar, on sait bien évidemment que c'est une zone quand même euh, très saline. Hmm. C'est-à-dire, c'est vraiment du natron, le banco dont ils disposent, c'est du banco où, dès que l'eau tombe, ils n'ont pas l'habitude de connaître des fortes pluviométries quand il pleut 5, 6 mm, 10 mm dans ces zones, ça crée des problèmes, des maisons s'effondrent. Par conséquent, peut-être la politique qui doit être menée au niveau de, dans cette région, c'est une politique de facilitation pour permettre aux populations d'accéder à moins de coûts aux matériaux de construction moderne. Mais tant que ce n'est pas ça, les gens, on connaît bien la précarité dans laquelle vivent les populations de manière générale, pas seulement là-bas, y compris dans les grands centres urbains. J'ai fait cette zone-là, je sais bien de quoi je parle. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau parce que l'eau est à fleur de sol. C'est à travers ça qu'ils font les cultures maraîchères et tout, tout, le jardinage et tout. Et c'est dans ça qu'ils vivent. Mais malheureusement, quand c'est de l'eau de pluie qui tombe, ça crée des problèmes, généralement. Chaque année, il ne faut pas se faire d'illusion. La seule solution, c'est de créer les conditions, pas seulement là-bas, au niveau du pays tout entier, les matériaux de construction coûtent moins cher. Parce que juste à il a des maisons en banco. La capitale en banco, entre deux immeubles, vous voyez une maison en banco. Donc vraiment, il faut que, c'est-à-dire qu'il faut que les gens s'adaptent. Il faut que les gens s'adaptent. Il faut que l'État puisse aider les gens à avoir des matériaux, le prix du ciment qu'il puisse être baissé pour que les gens puissent, en tout cas, détruire leurs maisons en banco et construire des maisons en Pour le cas d'Agadez, c'est un problème général en fait. Agadez, aujourd'hui, la population souffre parce qu'il y a le courrier, c'est sur la route. Et Agadez, tout le monde sait que la route, il n'y a pas de route. C'est complètement dégueulasse quand vous voyagez à Agadez. Vous êtes fatigué déjà avant d'arriver parce que tellement, on ne parle même pas de route. Et donc, c'est un ensemble. Construire les routes entre Agtawa et Agadez et arriver au niveau du Teloa, comme on sait que c'est le lieu de construire un pont comme on a fait pour Mousseka. Point très. Rapidement, rapidement. il faut aussi que parfois, il euh, n'est pas écarté le fait que c'est parfois quand on entreprend des travaux dans les localités qui sont à la base des inondations, parce que les gens ne prévoit pas les infrastructures adéquates d'évacuation d'eau. Le plus souvent, dans ces zones-là. Par exemple, j'ai vu ici dans la zone de, de la, nouvelle voie, dans un village, où quelqu'un m'expliquait que, en fait, là où la voie est passée, les gens n'ont pas prévu d'évacuation d'eau. Et vraiment, ils ont cette hantise que quand les eaux arrivent, que les eaux puissent encore se déverser dans le village. Il faut aussi prévoir ça. Même à Niamey, on est en train de vivre ça. On, fait des infrastructures, on ne prévoit pas euh, des, canalisations pour évacuer les eaux de pluie. Vraiment, je pense que on a tous une responsabilité. Il faut sensibiliser encore. Il faut que aussi l'État soit plus dur quand l'État donne des marchés, il faut prévoir un ensemble d'infrastructures. Parce que c'est à l'État parfois que ça arrive encore la charge. Parce que la prise en charge même des sinistrés, c'est autre chose. Plusieurs organes euh, de la presse écrite nigérienne ne respectent pas l'éthique et la déontologie du métier de journalisme. Euh, c'est ce qui ressort du travail de monitoring mené euh, par l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED entre le 1er mai et le 31 juillet 2019. Face à ces violations constatées, euh, le président de ce tribunal des pairs appelle les animateurs euh, de ces médias à plus de vigilance. Maman Abdou Diafarou est au micro de Nafissa Adamou au sur 79 titres étudiés, il y a eu 30 manquements de deux ordres. Le premier, 29 des 30 manquements violent l'article 7. Et l'article 7, pratiquement, il est le fondement de notre euh, métier, l'exercice du journalisme, puisqu'il nous invite à ne pas faire du plagiat, c'est-à-dire de prendre le travail de quelqu'un et de le copier sans vérifier. Il nous invite à éviter la calomnie, des affirmations gratuites sans vérifier. Le dernier manquement, c'est le manquement à l'article 10 c'est le respect de la confraternité. Parce qu'il est clairement dit que les journalistes doivent s'interdire toute action tendant à saper le travail d'un confrère ou d'une entreprise de presse. La leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une baisse de vigilance des journalistes quand ils font leur travail sur cette période-là. Franchement, nous appelons les confrères à plus de vigilance. Nous estimons qu'à partir de ce communiqué, que les confrères puissent comprendre l'enjeu et corriger, raviser leur pratique puisque c'est ça le plus important. Issa votre commentaire après avoir écouté le président de l'ONIMED. Euh, ce rapport de signal de survie de l'ONIMED, je crois bien, euh, on l'a compris, c'est bien, on a pu comprendre que ça existe, euh, parce que c'est l'instance des pères. Euh, Ousseini est là plus pour témoigner parce que au moins le premier bureau qui a été garé aussi, ils peuvent témoigner, ils sont là. Mais quand même, c'est bien de le faire mais où était l'onimètre depuis tout ce temps L'onimètre, dans sa création, on avait applaudi parce que les gens ont jugé utile, entre nous, de se dire la vérité. Quand vous êtes en train d'enfreindre la loi, on vous ramène à l'ordre. On vous dit, écoute, ce n'est pas un travail libéral comme ça où tu viens tout maintenant, il y a des codes. La déontologie et l'éthique. Ajouté à cela, il y a la charte des journalistes. Mais tout ce temps, euh, l'UNIMED avant. Moi, mes amis Jahar et consorts, c'est pas que je, mais je leur dis il faut qu'ils soient sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est un mandat, c'est un engagement qu'ils Peut-être que c'est le début de l'engagement. Quel engagement ils ont fait combien d'années, s'il vous plaît Vraiment, j'aimerais que mes amis vraiment respectent leurs engagements. Parce que quand on, on s'engage à faire quelque chose, il faut qu'on montre qu'on a cette passion de redresser les choses. Aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, c'est un secret de polichinelle. Ça, on voit les titres. À la limite, comment, même parmi les griefs là, quand les confrères s'attaquent, mais on se demande, attends, on est dans quel monde Comment dans la même corporation, les gens se permettent de faire des gros titres contre leurs confrères Parce que la, personne défend sa position. Mais attendez. Certains l'assimilent à du mercenariat. Quel mercenariat Même en France, les journaux ont des courants. Gauche, droite, extrême droite. Vous pensez que, par exemple, dans un journal comme Le Figaro, un gauchiste va venir parler. Ils vont, oui. Non, c'est pas possible. Ils vont travestir même ce qu'il a dit. il y a tout cela. Mais moi, je pense que il y a aussi de la question. ça a été toujours traité. Moi, je me rappelle au bon moment de l'ONIMED en premier lieu. Il y avait une conférence ou bien un atelier qui était sous la responsabilité des journalistes. Et moi, je veux insister là-dessus quand on fait un travail, il faut d'abord être responsable, honnête envers soi-même avant qu'on puisse donner quelque chose aux autres. Parce que quand vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous-même, ce que vous êtes en train de faire n'aura pas ce poids. Vous allez conduire votre responsabilité d'éclairer la société, vous allez faillir. Et c'est ce qui n'est pas bon. Au mépris des textes qui existent, que les gens se sont librement donnés. Parce que en venant même dans le métier, c'est comme si on accepte de se conformer à ces textes. Mais quand on exerce, on fait autre chose, moi je pense que ça c'est une aberration. C'est pour cela que tout cela, on voit ces organes d'autorégulation. Par exemple, quand vous prenez le cas du, du Bénin, l'onimètre qu'ils ont au, au, Bénin, et le Samuel, je crois c'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Ils ont, ils ont un, oui, un tribunal de paix. Mais je vous assure, c'est là-bas le travail. Et pourtant, le Niger, beaucoup de, au départ, ils ont vu le cas du Niger. Mais aujourd'hui, c'est une avancée extraordinaire. Ils font des, publications pour attirer l'attention. Ils font des enquêtes. Tout le temps, c'est périodique. Il y a des gens qui font ce travail exceptionnel. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire Parce que on a l'habitude, nous aussi, la faute nous revient en tant qu'exerçants. On se met de côté à critiquer. Mais maintenant, quand on dit qu'ils sont volontaires pour diriger, tout le monde se retire. Alors c'est pour essayer de faire des... Parce que les gens ne veulent pas faire un débat d'ensemble avec tout le monde. Les gens préfèrent faire des, sous-débats de côté par rapport à une problématique qui nous concerne, mais non, de venir sur la même table, de, discuter, d'échanger pour que nous, nous puissions trouver une solution durable à ça. Non, les gens ne le font pas. Alors il faut que vraiment, ce que l'UNIMED a dit, ça, c'est quelque chose que ça préoccupe beaucoup. Vous avez vu avant, quand on dit le journaliste nigérien, tout le monde le respecte. Aujourd'hui, moi, je, je, sont mes aînés, Ousseini et Garé, mais j'avais toujours eu vraiment le fait de les approcher et que j'apprends chaque jour avec eux. Mais aujourd'hui, nous, ceux qui étaient venus après nous, mais ce n'est pas du journalisme qu'ils font, je suis désolé. Chaque fois, on leur répète qu'il faut copier, il faut approcher les anciens pour que eux-mêmes, ils vont vous raconter leur expérience qu'est-ce que moi qui a failli faire de moi euh, un autre chose que journaliste Il faut éviter cela. Voilà, c'est des conseils pratiques. L'onimètre va le dire, va le décrire parce que ils sont dans leur droit mais moi je pense que ce n'est pas assez. Il faudrait alors que mes amis se ressaisissent, qu'ils continuent. Il ne faut pas que chaque fois aussi on dit qu'il y a un problème de moyens, il un problème. On peut faire un travail exceptionnel même sans moyens, surtout avec l'engagement et la détermination selon le communiqué de l'Onimed sur 79 titres des journaux étudiés, il a été enregistré 30 manquements à l'éthique et à la déontologie mettant en cause 19 titres des journaux. Comment l'expliquer, vous qui avez présidé il y a quelques années, Gare et Madougou viennent de le dire, euh, ce même tribunal des pairs Moi, je pense que d'abord, l'idée de création de l'Onimed, c'était de créer les conditions pour que les journalistes euh, ne puissent pas être traduits devant les tribunaux. C'est-à-dire quand il y a des manquements à l'éthique et à la déontologie dans l'exercice de la profession, au lieu que le plaignant aille directement en justice, c'est que le plaignant saisisse le tribunal de paix pour pouvoir, euh, avec une plainte, et je parle sous le contrôle de Gary parce qu'on a fait ce travail-là ensemble, je suis désolé, il y a un monitoring qui a été fait. Je ne sais pas, sur la période déterminée, je ne sais pas comment ça a été conduit. Mais toujours est-il dit que le premier travail de l'observatoire, lorsqu'on l'avait mis en place, lorsqu'on l'avait élaboré, c'était de créer les conditions pour que, effectivement, les plaignants n'aillent pas directement en justice. Il n'y avait pas encore la dépénalisation, elle n'était pas encore effective. On a travaillé, on recevait des plaintes, il est là. Mais depuis pratiquement euh, le changement de machin, d'équipe, les plaintes des gens avait suscité un engouement au départ. Parce que c'est ça le premier travail. On dit bien tribunal des pairs, mais un monitoring. Tel nombre de journaux n'ont pas respecté telle chose, tel nombre de journaux n'ont pas respecté telle chose, ça va avancer en quoi Est-ce que ça peut permettre de moraliser la corporation C'est pas évident. Le travail principal, et j'ai interpellé à maintes reprises les journalistes, nous nous auto-saisissons souvent, il est là, en face de moi, quand on voit, on lit les journaux, on voit des, des, des comportements ou du moins des déviances par rapport au traitement, à la collecte, au traitement de l'information. Et on interpelle les responsables des organes, y compris les journalistes qui sont autour des tactiques, pour leur dire, c'est pas bon ce que vous êtes en train de faire, ça discrédite un peu l'approche. Mais malheureusement, Aujourd'hui, je ne sais pas, euh, en fait, euh, je ne connais pas un peu euh, la composition de l'équipe, mais j'ai dit, il faut être en train d'exercer. Je connais un peu l'OLPED en Côte d'Ivoire. J'ai assisté en 2004 à un congrès de l'OLPED. Et au, niveau de l'ODEM, je crois, au Bénin aussi. Voilà. J'ai assisté aussi. Mais c'est ce travail qu'on attend d'un tribunal des pairs mais pas une affaire de monitoring, parce que le monitoring, on a beau le faire pour juste démontrer, voilà, tel nombre de médias n'ont pas respecté tel article, de tel article ou tel. Tant que, quand nous les faisons, nous transmettons ça aux médias pour faire des, nous faisons des communiqués pour dire, tel média a ça, ça a un impact sur l'organe, sur le responsable de l'organe quand c'est diffusé. Parce qu'on sait qu'il y a un instrument qui est là, qui est en train de faire un travail malheureusement, je ne le sens pas aujourd'hui. On a fait juste un monitoring, peut-être en cercle fermé, pour sortir un communiqué. Mais ça aura quel impact Interpeller, ça aura quel impact Mais quand il s'agit de faire des communiqués pour dire tel média, mais le fait simplement de dénoncer que tel média n'est pas en train de respecter les règles éthiques et déontologiques, ça a un effet sur son responsable, ça impacte. En tout cas, le responsable va se dire, mais si moi j'ai été indexé, il faut que je change, il faut que le comportement, quand on le faisait à l'époque, il y a eu quand même des gens qui se déplacent pour nous dire, mais pourquoi vous voulez nous attaquer, vous voulez nous détruire, des, des, choses comme ça. Et les gens, ils vont quand même se dire, bon, on va essayer de contrôler un peu le travail. Mais monitoring, prendre des journaux, faire un communiqué pour dire, on n'a pas cité, je ne sais pas le nombre de journaux qui ont été concernés. On dit simplement 79 titres ou quelque chose, 79 euh, journaux traités voilà le nombre de manquements qui ont été constatés. Mais bon, c'est qui les journaux C'est la question qui est là, qui doit être posée. Gary Amadou, l'ONIMED déplore des violations répétées du code d'éthique et d'idéontologie particulièrement l'article 7 relatif à la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement. Faut-il revoir les méthodes de vulgarisation de la charte du journaliste professionnel et du code euh, d'éthique et de déontologie Non, c'est-à-dire que ça, c'est, en fait, euh, les gens connaissent les textes. Hein. Le problème, c'est que je, pense, hier, j'étais en, discussion avec un membre de l'ONIMED, e je lui ai dit, vous savez, ce qui me dérange avec votre communiqué, c'est le fait que c'est un peu évasif je lui ai dit ça. J'ai dit, bon, oui, euh, sur 69-30, mais c'est qui Hussein l'a dit, mais c'est qui mais un tribunal de. C'est le tribunal des pères. Hein. Le tribunal des pères, il, non, condamne. C'est-à-dire que vous sortez, vous, citez, vous dites. tel organe, dans telle parution, sous le titre vous avez dit ça, ça, ça, et ça, ça porte. C'est comme ça qu'on fait. Nous, on l'a fait. C'est vrai, la première équipe, de... c'est pas pour nous jeter les fleurs, mais quand même, c'est on ne peut même pas comparer. Moi, je suis content que le se, se, réveille. Je suis content que déjà, ils ont commencé. Parce que selon ce qu'on m'a expliqué, Numed, il dit que non, ça c'est le, premier communiqué. La prochaine fois, ils vont citer. J'ai dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut dire c'est qui. Eh, bah, parce que tout le monde peut se, retrouver dedans. Quelqu'un peut dire que non, il euh, y a Kalangou dedans. Eh, eh, <laughs> quelqu'un peut dire non, Kalangou n'est pas dedans, mais il n'y a rien. Donc, il faut, il faut aller directement à la. Dites, c'est qui ces 30 là mais c'est qui ces organes-là Il faut les citer. Et dites dans quel article ils ont fait ça. Et quand on fait ça, comme l'a dit c'est pédagogique. Parce que moi, je n'aimerais pas que la prochaine fois, mon journal, son nom puisse sortir dans le. Oui, soit indexé. Il faut indexer. Je lui ai dit ça hier. J'ai dit non, c'est ça l'erreur. De... Ce communiqué-là, pratiquement, c'est bien, ça prouve que le numéro s'est mais, mais ça ne sert pratiquement à rien. Parce que les fautifs là, les fautifs là que vous, vous connaissez, membres de numérique là, mais ils vont dormir tranquilles. Ils vont dire ouf, on va souffler parce qu'on n'a pas cité nos noms. Et ils vont continuer dans la même lancée. Vous voyez donc vraiment, je pense que l'ONIMED, j'interpelle l'ONIMED pour que le prochain communiqué soit plus clair possible. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il y a des violations, citez quels sont les organes qui ont fait ces violations-là. et, voilà. Et deuxième chose, il faut que le travail, c'est un travail qu'on avait, un souhait qu'on avait émis depuis longtemps. On a mené un combat pour que les rapports, en tout cas les conclusions de notre premier ONIMED là, soient transmises au niveau du CSC. Mm. Maintenant, il faut que les conclusions de l'ONIMED, les éventuelles condamnations même si elles sont de principe, de certains organes, il faut qu'elles soient prises en compte dans le cadre de, en tout cas, l'obtention du fonds de la presse. Il faut que le CSC modifie ses textes. Pour prendre en compte euh, les recommandations. Non, le respect de l'éthique de d'ontologie, si c'est 20 points, ça va faire 10 points. Maintenant, la sécurité sociale et consorts, c'est comme ça qu'on fait de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on va dire que ah, si 20 points, 10 points, c'est le respect de l'éthique et de l'ontologie. Et on va dire qu'un organe qui est condamné trois fois, en tout cas, dans les rapports qui est cité dans les rapports, le numéro trois fois, cet organe l'a disqualifié pour avoir le fondé de la, presse, jusqu'à ce qu'il s'améliore. Non mais, jusqu'à ce qu'il s'améliore, on va le suivre jusqu'à la prochaine délivrance du fondé de la presse. On va voir si ça a amélioré. S'il n'a pas été cité l'année prochaine, là, il peut se... C'est comme ça qu'on fait de la pédagogie. Mais moi, mon organe, le Canada déchaîné, était dernier dans le fondé de la presse. Et devant moi, il y avait des organes qui violaient catégoriquement l'éthique de la qui insultaient les gens, qui diffamaient des gens. Ils sont devant moi. Moi, je suis dernier. J'étais le dernier de la liste. Parce que tout simplement, parce que oui, oui, euh, j'ai pas de siège, etc., etc., Je vous dis, le critère du respect d'éthique et d'ontologie doit être un critère primordial dans le cadre de l'attribution du fonds de la presse. Tant qu'on ne fait pas ça, là, les mêmes organes là qui, bafouent tous ces textes-là, ils vont avoir le, le, fondé de la presse des millions, ils vont, vont, ils vont rigoler. Mais ils vont rigoler, ils vont dire <laughs> pourquoi on va changer Puisque dans tous les cas, ça ne change rien. Si je postule le fondé de la presse, je suis bien classé. Parce que, bon, la sécurité sociale, blablabla, c'est très bien, la sécurité sociale pour les journalistes, n'est-ce pas La grille de salaire, un salaire, un bulletin de salaire, tout ça, c'est bien. Mais, en, <laughs> l'autre côté, je piétine l'éthique et la déontologie. Mais c'est bon, parce que le me devient le fonder de la presse. Oui, malgré tout, euh, voilà. Donc, franchement, une fois de plus, je le répète, je l'ai dit à ce monsieur, il faut que votre travail soit pris en compte par le CEC dans le cadre de l'attribution du fondateur de la presse. Donc modifier les textes et faire en sorte que le critère du respect de l'éthique et la déontologie de la charte du journaliste, n'est-ce pas, que ce critère-là soit un critère primordial dans le cadre de l'attribution du fondateur de la presse. Issa Madougou, l'ONIMED constate également la violation de l'article 10 du Code d'éthique et de déontologie des journalistes professionnels qui recommande de cultiver l'esprit de confraternité dans la collecte et la diffusion de l'information, notamment en s'interdisant de participer directement ou indirectement à toute action visant à nuire à un confrère ou à une entreprise de presse. Par le passé, le non-respect de la confraternité euh, s'expliquait par euh, le mercenariat des journalistes. Quelle justification aujourd'hui, rapidement Mais écoutez, tout ce qu'ils ont dit là, c'est connu de tous. Mais ils ont... Oui, mais écoutez, sur la violation de cet article. Mais c'est c'est ce que l'article dit. Mais ils ont fait leur monitoring. Ils ont dit seulement c'est la presse écrite qu'ils ont fait. Garé a raison. Pourquoi quand ils ont dit ils ont fait la presse écrite, ils ne sont pas sortis les noms Ils sont tous, en grande majorité, issus de la presse écrite. Mais on ne fait pas des trucs comme ça pour dire parce qu'on veut faire un signal de vie pour que les gens pensent que vous existez. Non. C'est pour cela que je demande à mes amis de se ressaisir. Quand on fait un travail, on le fait parce qu'on voulait, on s'assume, on voulait apporter un changement. C'est ce que Garé a dit. Il faut de la pédagogie. Quand vous êtes en train de faire, il ne suffit pas de faire du monitoring. On dit c'est l'organe des pères. Nous aussi, on veut le voir comme à l'image et au même rang des autres institutions de la sous-région. Il ne faut pas qu'on soit laissé à la traîne. À au Japon, la septième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD euh, sous le thème euh, Faire progresser le développement de l'Afrique à travers les hommes, la technologie et l'innovation prend fin ce 30 août. À Biarritz, en France, les puissances de ce monde projettent l'élargissement de la force G5 Sahel à des pays du Golfe de Guinée comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana à travers le nouveau partenariat pour le Sahel. Écoutons à ce sujet une analyse du docteur Diko Abdraman de l'Université des Anders, joint au téléphone par Nafis Adamou Sirfo. la création du G5 Sahel, justement, il y a eu cette forme de maladresse qui a consisté à écarter un certain nombre de pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, et beaucoup de pays de la sous-région. Et du coup, ça affaiblit euh, le G5 Sahel et ça crée une sorte de crise de leadership au sein même du G5 Sahel. Donc, c'est une erreur corrigée, mais cela ne suffit pas pour rendre le G5 Sahel ou bien une organisation de ce genre-là véritablement efficace. Ce qu'il faudrait d'abord engager maintenant, c'est de se détacher de ce giron, j'allais dire stratégique, qui consistait simplement à nous allaiter. Du coup, le G5 Sahel est un, c'est un petit bébé qui est là, et qui, qui passe de main en main et qui souvent est assujetti à un certain nombre de caprices de ces pays occidentaux. La seule question qui revient chaque fois, comment financer le G5 Sahel Eh bien, moi je le dis, et je suis de ceux-là qui pensent que les pays du Sahel ont la possibilité, ils ont les moyens, ils ont la logistique nécessaire pour pouvoir s'organiser autour d'un idéal politique sécuritaire capable de faire en sorte que nos pays soient dans une posture qui leur permet de se défendre. Gary Amadou, quelle réaction après euh, cet élément et que peut apporter euh, de nouveau l'élargissement de la force G5 à des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana rapidement Non, vous savez, je vais être, je vais être extrêmement méchant. Il faut que les pays euh, développés cessent de se moquer de nous. Pourquoi je le dis Vous avez déjà le G5 Sahel qui comprend ces cinq pays. Vous n'arrivez même pas à assurer le financement. Et puis venez vous nous raconter des histoires pour dire que non, non, il faut élargir, il faut mettre tel pays, tel pays. Mais vous vous moquez de qui Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là mais de qui vous vous moquez vous, vous pensez que les gens sont des enfants Vous n'arrivez même pas à financer le G5 Sahel. Il est en train de peiner pour avoir ses fonds les cinq pays là. vous dites non, non, il faut mettre la Côte d'Ivoire, il faut mettre Parce que Macky Sall et, Ouattara là ont fait le truc, ils sont partis, ils ont fait le plaidoyer auprès de Macron. Oh, il faut les mettre. Mais pour, que, ça, pour que ça aggrave encore la situation, même le cinq pays là, vous n'avez pas à financer le projet, les projets qu'ils ont mis en place là, qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir assurer la, sécurité. Même ça, vous n'allez pas à financer. On n'est même pas un cinquième. Et maintenant, vous voulez encore compliquer la situation pour augmenter les pays. Mais je suis d'accord avec ce, que le professeur a dit. Le défi, c'est pas ça. Hein. C'est pas augmenter les pays. Non. Si au moins vous aviez financé les 5 là, le financement du G5, si au moins vous aviez financé les 5 là, on peut comprendre que vous, dites, ah, ça apporte des résultats, maintenant on va étendre. Mais même les 5, vous n'avez pas à financer. Et puis vous venez parce que vous vous moquez de nous. Vous vous moquez des pays sahéliens. Vous dites que non, non, non, on va élargir, on va mettre le Bénin, on va mettre le. la, Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais, mais, mais, franchement, non, il faut que les pays occidentaux comprennent que nous ne sommes plus des enfants maintenant. Nous comprenons ce qui se passe. Mais c'est cessez de jouer avec nos, esprits. C'est ceux de vous moquer de nous. Ça n'a aucun sens l'élargissement du G5 Sahel. Parce que l'état actuel du G5 Sahel, les cinq pays-là, tous les financements qu'ils sont en train de demander, ils peinent à avoir ce financement-là. Pourquoi vous voulez encore augmenter encore Pour que ça serve à quoi Uniquement pour mettre les pays-là dans, une situation où, le terrorisme sera ingérable. C'est ça le, but Non, non, arrêtez. Je suis d'accord avec ce que le professeur a dit. Ça n'a aucun sens, l'élargissement du G5 Sahel. Faites d'abord en sorte que les cinq pays-là puisqu'ils sont pour le moment, ils sont les plus concernés. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont concernés d'abord, pour le moment. Quels sont les pays qui sont concernés Pourquoi euh, Emmanuel Macron va faire, le plaidoyer pour que le G5 soit, soit élargi Non, parlons des choses. C'est le Sénégal qui est attaqué par les, par les djihadistes à part les attaques de Grand Bassam et qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire Qu'est-ce que c'est quoi N'est-ce pas Mais donc, il faut arrêter. Les pays qui sont concernés là, qui ont ce problème-là, qui ont besoin de ce financement-là, le financement qui a été prévu là, mais assurer ça au moins avant d'aller chercher des, trucs encore ailleurs. Vous vous n'avez même pas pu régler ce qu'il y a ici. Vous voulez encore élargir le truc. Il faut qu'on mette tel pays, tel pays, tel pays. Non, mais arrêtez. Nissa, malgré toutes euh, ces années d'efforts et de plus en plus de morts, euh, pensez-vous que cette extension de la force à d'autres pays va-t-elle aider oh, Je pense que Gaé, dans un état à la limite, le Sahel, c'est quoi le Sahel hein C'est quoi le Sahel C'est quoi les pays du Voilà. C'est pas la même chose. On connaît le problème, c'est circonscrit. Au niveau pratiquement, il y a juste peut-être le Cameroun qui dispose, qui est aussi concerné par les, attaques de, la secte Boko Haram. Et voilà que pendant, ça fait des années que le G5 Sahel a été créé et que le président Cook, dans tous les sens, pour pouvoir mobiliser les fonds, ils n'ont pas été en mesure de donner les fonds. Maintenant, comme pour divertir nos chefs d'État On dit non, non, il faut l'élargir à d'autres pays, les pays qui ont des littoraux. Des, Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est Macron et, l'Allemagne qui vont décider de comment ça doit fonctionner. Il faut qu'on cesse d'infantiliser. Et je dit, c'est nos chefs d'État qui nous infantilisent ou qui s'infantilisent en pensant que quelqu'un va venir les aider à combattre ce phénomène-là. Moi, j'ai dit, quand on mutualise nos forces, réellement on mutualise nos forces, on peut parvenir à bout de ce phénomène, le terrorisme, le djihadisme et tout et tout. On peut quand même contrôler nos territoires. Mais malheureusement, si on doit s'attendre à ce l'Occident, ça n'arrange que l'Occident. Il ne faut pas qu'il y ait la stabilité et la paix dans nos pays, parce que ça crée des situations où on peut venir prospecter. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, j'ai fait un peu le prolongement quand je vois les chefs d'État courir pour aller, on dit Japon-Afrique. Japon, c'est un pays. L'Afrique, c'est un, continent. Brésil-Afrique. Sommet Brésil-Afrique. Sommet euh, Inde-Afrique. Sommet. c'est des conneries. C'est des conneries. Chacun veut venir en Afrique parce que c'est en Afrique qu'il y a les matières premières aujourd'hui disponibles en quantité. Et il faut venir, chacun se positionne. On a connu l'esclavage on est venu prendre déjà les bras valides ici, pour les amener. La la négrière. On a connu la colonisation. Maintenant, la nouvelle forme de colonisation, c'est devenu parce que eux, ils ont développé leur pays avec les matières premières dont ils disposaient. Ils n'en ont plus. Le seul continent où on en trouve à Gogo toutes les matières premières, on trouve aussi une jeunesse qui est là, c'est l'Afrique il faut venir en Afrique parce que tout simplement, et c'est ça le positionnement. Comment un pays comme le Japon, mais ils se sont développés, ils ont connu la deuxième guerre mondiale, ils ont connu deux bombes atomiques, ils se sont relevés. La Chine était autant pauvre que nos pays dans les années 70, jusqu'en 70, jusqu'au début des années 80. Ils se sont, parce que tout simplement, ils ont investi. Qu'on arrête de penser que le développement de nos pays passe forcément. Il faut créer les conditions pour que les ressources humaines soit bien formés dans nos pays. Il faut créer les conditions pour que les ressources naturelles dont on dispose bénéficient d'abord à nos pays, au développement de nos pays. Mais venir, aller tendre la main, regarde combien, je ne sais même pas combien de chefs d'État ont fait le déplacement du Japon, qui est un pays qui a connu une guerre qui était tombée tellement bas que il a fallu mettre un plan pour pouvoir développer et ils sont allés, ils sont devenus une puissance. C'est le cas aussi de la Chine. C'est le cas un peu de l'Allemagne. L'Afrique tout un continent va aller écouter un, seul pays. <laughs> Vous ne trouvez pas que c'est quelque part insultant Est-ce qu'on veut développer nous-mêmes On est au 21e siècle. On peut créer les conditions parce que tout simplement, la technologie, la recherche a atteint un niveau où on peut nous aussi créer les conditions pour qu'on ait les ressources humaines et investir pour pouvoir développer, comme avait dit, l'industrie dans nos pays et développer nos pays. On n'a pas besoin d'aller tendre la main pour dire aux Japonais, parce que dans tous les cas, tout le monde sait, ce n'est pas pour nous donner quelque chose, c'est pour juste venir s'implanter, profiter de nos ressources, aller continuer à pouvoir se développer pendant que nous, nous, allons rester, parce que quand ils vont finir d'exploiter nos ressources, ils vont s'en ils, aller. Il ne faut pas se faire d'illusions. Issa Madougou, rapidement, au sujet de la septième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, euh, quelles seraient les retombées pour l'Afrique ou le Niger rapidement Uniquement des dettes que l'Afrique va contracter. Moi, je suis contre ces genres de sommet. Je ne peux pas comprendre que tout un continent s'élève pour aller rencontrer un pays et au sortir, on, voulant. on a vu ce que la Chine nous a fait. Aujourd'hui, des pays africains courent sur la dette chinoise. Mais c'est extrêmement grave. Ce n'est pas de cette manière qu'on veut se développer. Moi, je pense que nos chefs d'État devront penser d'abord qu'ils ont une responsabilité. Le développement sur le travail. Oui, ils ont d'abord une responsabilité à conserver et à protéger la souveraineté des pays. Ça, ça n'a rien à voir avec vraiment des intérêts ou bien qu'on puisse se développer. Non, non, il faut que notre souveraineté, qu'on puisse la brandir partout. On ne peut pas aller se lever pour aller parce que les gens vont nous donner des prêts. Ce n'est pas cadeau. Ils ne vont pas nous. C'est pas le développement quand on, on parle ça ne va pas tomber du ciel. Il faut qu'on se lève, qu'on soit conscient, qu'on travaille et qu'on crée les conditions pour notre survie. Parce que ces gens-là, comme l'a dit Hussein, ils vont venir. C'est des ressources épuisables. Quand ça va s'épuiser, ils vont plier bagages. Et ce qu'ils prennent, c'est pour envoyer dans leur pays. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Gary Amadou du quotidien La Nation, Issa Ousseini, journaliste freelance, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeune du studio Kalangou sur les radios partenaires. Il sera suivi du forum en Hausa et en Zarma hein, sur les personnes disponibles pendant les conflits armés et autres violences. Merci, au revoir.